dans tout la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne comme d'habitude. Chose promise, chose due. Nous vous avions dit lors de l'émission précédente qu'il y aura deux volets à débattre sur la musique. C'est ça le premier volet ayant porté sur les messages véhiculés par le rap, nous nous retrouvons cette fois-ci avec euh, d'autres acteurs culturels pour parler des poteaux, un concept venu de la Côte d'Ivoire et qui voudrait signifier les échecs des concerts ou la musique ces dernières périodes à Niamey notamment. En effet, et nous remarquerons euh, que les événements musicaux et principalement euh, dans le secteur de la musique urbaine, entendue par la rap, ok, et tout ce qui va avec, dans la capitale font face à des échecs retentissants, car le public déserte de plus en plus de concert euh, dans l'idée de crever euh, l'abcès euh, de trouver ensemble les raisons de ces échecs le thème de tout ça, la fada d'aujourd'hui se penche donc sur la question à travers cette interrogation pourquoi y a-t-il peu d'engouement lors des concerts des artistes urbains pour en débattre la FADA. Nous accueillons euh, chez nous, avec nous, sur ce plateau, Mr. H. que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ashpawa qui quand même dans le temps était aussi artiste. Ok, et je sais que j'ai l'habitude d'aller à ces concerts ici au CCFN. Ashpawa, je te souhaite la bienvenue. Merci Dandy, merci de m'avoir reçu sur euh, euh, cette émission. Donc. Vigues, on était ensemble la semaine passée ensemble. Aujourd'hui, on ne te reçoit pas en tant que Vigues, on te reçoit en tant qu'acteur culturel, en tant qu'animateur. parce que tu es sur Dunia TV et tu as un débat que tu, présentes les dimanches à 10h. Et tu as toujours œuvré dans ce sens. À chaque fois, tu essaies en tout cas de mobiliser, de faire déplacer le public pour les concerts. Et si à, chaque fois qu'il y a un problème, je suis aussi avec euh, une artiste parce que Jaro, il faut qu'il m'a encouragé, mais euh, Chocolaté c'est quoi Elle est finaliste au tremplin. Donc, il Bifong, a finalité tremplin jeune talent. Donc, euh, go chocolaté, matin go, Ben, ça va. Ça se passe bien Ouais. Tu es en forme En forme. Donc, on peut parler de poteau. Ouais. De ceux qui font, ceux qui ça ne marche pas. Ouais. Ah, ça ne va mais. <laughs> nous sommes au CCFN, Jean Rouge euh, de Nous sommes à la cafétéria et je vois déjà le public qui est là. Je vois un peu les gens qui m'entourent. Je vois un peu aussi euh, l'ambiance qui va régner. Bon, je sens l'ambiance, ok D'accord, qui va régner parce que le c'est c'est chaque fois, c'est des lecteurs, c'est des artistes, c'est des musiciens. Alors, c'est vraiment le cadre idéal euh, pour une rencontre artistique. Voilà, c'est pour cette raison que nous avons aussi décidé une fois de plus de revenir au CCFM pour la tenue de tous à la FADA. On va à euh, suivre ce micro-trottoir de Habib Garba du studio Kalangou pour faire plaisir à toute la jeunesse qui écoute cette émission Tous à la FADA à travers nos 38 radios partenaires. Tout de suite, la suite. Oh, oh. Nigérien concert. Je parle chaque fois des man Nigeria concert oh, Il faut se border ici quoi. Parce que aginte no igo di kar Nigeria pour asige nous. or que de parfois très artiste international goka et Nigeria ngi konu no kwega soutenir quoi Or que il won people ont la visa igo kiti il si quoi ibone do. To à quoi ça sert? On kun Niger beaucoup ni se Rappeur international qui international qu'il y a pas les artistes nigériens, ils donnent pas ce que le public veut, quoi. Tu vas voir l'artiste, n'a pas le niveau, il se croit déjà, il, n'a pas fini sa formation, quoi. Il a, il, reste quelque chose pour eux, quoi. Il faut qu'ils bossent encore avant de, avant d'organiser les concerts, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas le travail, quoi. Tu vois, ils travaillent pas, c'est pour ça que les gens ne viennent pas. Ils donnent pas ce que le public veut, quoi. Parce qu'un artiste international comme, bah, moi je prends par exemple Baby Philippe. Il a fait juste un son la fois passée qui dit Alléluia, quoi. Mais les gens ont kiffé. C'est parce qu'il a bossé, quoi. Bon, alors, tous à la FADA, nous attaquons déjà le fond de problème par euh, les premières questions posées à nos invités. Alors, on va commencer par vous, par vous dire, qu'est-ce qui explique le paradoxe suivant On sait bien que ce sont les jeunes qui apprécient les musiques urbaines.

Bon, voilà, donc, donc merci quand même pour euh, cette question. Connaissant également euh, le, public nigérien, on sait là où le problème est situé. Par exemple, si vous prenez au niveau des, artistes, vous allez euh, vous rendre compte qu'aujourd'hui, les artistes nigériens, malheureusement, ont un problème de stratégie au niveau de la communication. Avant, il y avait certes peu de radio et peu de télévision, et les affiches permettaient aux artistes vraiment de communiquer euh, très facilement avec euh, le public. Et les quelques radios que nous avions également, avec les quelques animateurs que nous avions à l'époque, faisaient bien le travail. Et donc, du coup, euh, il n'y avait pas une certaine ouverture, si on peut le dire, de notre marché aux autres artistes. Donc, nous n'avions que les artistes nigériens. Et le fait de consommer nigérien, parce que à la télévision et à la radio, on ne nous offre que des Nigériens, a fait en sorte que les, donc le public nigérien s'est retrouvé dans les productions musicales nigériennes. Donc quoi de plus normal Vous avez une jeunesse qui aime la musique, qui écoute la musique nigérienne, et quand il y a concert, il est tout à fait normal que ce public-là se déplace pour partir donc, à ce concert. Il y avait vraiment euh, une certaine tendance qui a contribué également donc, à asseoir cela. Les artistes euh, euh, qui ont les concerts, arrivent à s'organiser en clan, arrivent à s'organiser dans les quartiers et ils arrivent également à communiquer de bouche à oreille. Le, premier donc, euh, soutien de l'artiste, c'est d'abord son quartier. Et ce qui fait en sorte que si c'est un artiste, par exemple, qui appartient au quartier Yentala, soyez sûr et certain que tous les jeunes de Yentala vont se retrouver au CCFN. Et donc, du coup, vous avez un poids énorme euh, au niveau donc, du soutien, au niveau de la mobilisation. Et donc, c'est comme si c'est une sorte de défi entre les différents quartiers. Ah, les artistes de Yantala veulent montrer aux artistes de Dar Salam et autres là qu'ils ont plus de public qu'eux, que, les, jeunes de Yantala sont plus avec eux. Et donc du coup ça a marché, ça faisait vraiment le travail donc, des artistes. Mais avec l'évolution aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup donc aujourd'hui de radio, on a beaucoup de télévision. Ce qui fait en sorte que souvent, même quand vous avez une communication à passer dans ces médias, il n'est pas sûr à 100% que cette communication-là puisse atteindre sa cible. Parce que la plupart des jeunes Nigériens que nous avons sont aujourd'hui plutôt tournés sur euh, les chaînes Canal et autres là. Donc du coup, il y a un problème de communication. Et les artistes ont cessé de faire maintenant de bouche à oreille. Les artistes ont également cessé de faire aussi les affiches. Et il faut le dire aussi, même les réseaux aujourd'hui qu'on pouvait utiliser comme étant un moyen pour faire ces communications, malheureusement, nos artistes maîtrisent mal les réseaux comment faire par exemple une communication sur les réseaux sociaux. Malheureusement, nos artistes ne savent pas comment faire. Alors, on va revenir par rapport à cette question de communication parce que des fois aussi, il y a euh, d'autres artistes qui se, qui se permettent hein, des fois de se mettre à, euh, à l'écart et d'essayer de, d'essayer de, mettre un peu le feu ou de verser de l'essence dans le feu ou empêcher la reçue d'un de, de, de, bon, Alors, on va revenir aussi par rapport à cela parce que notre objectif, c'est de faire masser justement ces concerts. Parce que la musique est notre source d'inspiration, la musique a sa place aussi sur cette émission. Et dans un instant, on revient.

Abisi bachanda chanda Kaladina marugunda sanga sanga To Haidi ni dambulanga Waina ni mai halanda lamba MC kaina ni goga sunga Hanubanaka dola say guanga. Oh Wanna see my nigga did Wanna see the nigga ma I ma ma So laga ma nuga ma So laga ta Kada na nuga ta ma I ne Rap nigga te kanga sandi sandi Rap nigga te kanga sandi Hey Dole nigga te kale ganji ganji Dole nigga te kale ganji MC Play masi for the ganji Kambo jere bisi ganji tunandi Hey Sima siva tunandi Rap nigga te kanga sandi nigga think I'm a Sunday, Sunday. Rap nigga take I'm a Sunday, hey. Dhoni nigga take I like ganje, ganje. Dhoni nigga take I like ganje. MC, play my six four the ganje. Congo get bisi busy ganje tsunami, hey. See my see my tsunami. Rap nigga take I'm a Sunday. I go watch the guns and the fun light. Ba hara ebare yana baramai. Matene hina haldawane kulude kai ni jeni sin fun night. Mahara mamai sun night. Ikubai tak tak sana baramai. On revient donc sur l'émission Tous à la Fada après avoir écouté la musique. H je reviens vers toi. Dites-moi, H, euh, quel rôle jouent concrètement les promoteurs dans la promotion générale des événements bon. En se basant en principe euh, euh, <laughs> sur les faits de Niger Collection. Parce que vous avez toujours reçu vos concerts, mais ça fait quoi pratiquement deux ans que vous vous êtes retiré un peu de la scène, je ne sais pas pourquoi. J'allais compléter, je devrais commencer d'abord par cette question. Ben, ce n'est pas qu'on s'est retiré, on est toujours là. On est toujours là. Sauf que euh, on est parti sur d'autres aspects. Parce que l'événementiel, ce n'est pas que les concerts. Mhm. Il y a la communication, mhm. il y a tout ce qui est impression et tout ça. Mhm. Donc, euh, il fallait un peu. Euh, parce que avec l'évolution de tout ce qui est, ou bien la création de, de nouvelles structures d'événementiel, il y a certains qui pensais que euh, le, fait de, le fait de se mettre dans l'événementiel, c'est un truc, c'est quelque chose de facile. C'est on se lève juste un beau jour, je, suis, promoteur, et puis je rentre dedans, alors que c'est pas pas ça. Il y a beaucoup de paramètres qui. Ça peut aussi à, l'échec des poteaux. Bien sûr. Surtout l'échec des poteaux. Qu'est-ce qui fait l'échec des poteaux euh, Non, les pas l'échec des concerts. Bon, l'échec des. Oui, l'échec, oui, l'échec des concerts. Euh, poteaux c'est parce que l'artiste se lève lui-même pour dire qu'il fait son concert. Ah, ok. Un artiste, tu n'es pas là pour faire ton concert. Mhm. Il doit avoir des gens autour de toi. Un staff, autour de toi. Et même pas ça, chercher des professionnels qui te font ton concert. Mais ce n'est pas à toi. Toi, l'artiste, déjà, ah. tu es là, tu es là pour, pour chanter. Mm, Mais tu ne peux pas dire que tu es au four et au moulin, dire que tu vas. Mm. Ça n'a pas de sens. L'artiste, on doit. C'est-à-dire, l'artiste mmh. doit être un mythe. C'est-à-dire, l'artiste, quand un artiste fait un concert, c'est-à-dire on ne doit même pas le voir. Il doit faire au moins 6 mois, 3 mois, 4 mois, en train de répéter, Personne ne le voit. Il n'y a que son manager, le staff qui est autour

Amanté, Et puis artiste, oh, j'ai été artiste. J'ai été artiste. Je sais ce qu'il y a dedans. Les artistes, souvent, ils sont gourmands. L'artiste veut gagner un coup. Qu'est-ce que tu entends ah, par Isson Gourma Isson Gourma, il faut qui gourmand, c'est-à-dire ah. tu, es, tu ne peux pas, c'est-à-dire nous dit quand d'un coin d'un coin dit promoteur faut nous voilà avec ba euh, irma matcher c'est avec ba concert avec ba china china china china china on godo godi quand peut-être à rodin ginga boraginga escroquer ou soit de nos refatasting c'est chimi des choses comme ça quoi donc il y a des idées font quand ce n'est pas ça j'ai été à c'est pour cela que je te dis. En ce moment, nous, on a fait ces idées-là. Hmm. Mais souvent, il y a certains. Quand Mais on à votre temps, ça a toujours marché. ça, a marché ça a marché, parce qu'en ce moment. promoteur, il faut jouer pour que le concert ait marché. Rôle Kirgojé, oh. on approche des Nous, on a approché au moins deux, trois groupes. Je vais taire leur nom. Ok. Zakir Nichel Nimanandirga, il faut Nigerse. Parce qu'on hmm. avait voulu faire des. C'est-à-dire, créer même le label Niger Connection. Ok. Une femme. que hmm. le label créer en même temps, ils seront les premiers à être lancés sur le label Niger Connection. Mais ces gens-là, ils ont commencé à nous demander bon, ok, euh, il faut qu'armir nos villas, armir nos, <laughs> nos motos, par ah. mois nos, par 300 000. Ne bani aramo. Bani. Bani. Bani. Et puis, c'était tout un programme qui était établi. C'est-à-dire, futur, ah, mettre le futuring, il faut, du fond. avec tous ah, les artistes qu'on a, qu'on ah, a amenés ici. Ah bon. Ça n'est qu'un gars, c'est bon. Public corps, quoi. im kawai kawai da imir beren bon ah non non voilà bon c'est un public ah non non non non non comment dire je exagéré quoi voilà c'est masine public ko sigaran ber public ko garan ber parce que public ko ga aran donné hangan barkan barkan in donné hangan ça veut dire que a gondin c'est au moins un peu de respect parce que din dono scan aga za go ka peut aga aga zappé non mais din ko fader fader din koy matin regroupement yondo ni gidi kan igoga artiste nigérien musique da kuna igogi dai bobo mais hay i know in minute i know in minute i know in minute i know in minute i go cut in minute in minute eh pour moi mm. artiste ay eh. mm. moto kan ni ci sonda mm. artiste gidi ci bor moy non hmm. ngono ni na morceau kanin doni ka hmm. manam boray consommer en bori oh, de boray na consommer en bori hmm. en ce moment ni boni min bon darandi sinon c'est vrai tu as des occupations mais il faut le faire d'engrais il faut que ça soit restant parce que ni bang tu connais ton objectif zani sintin zani bekan ni morsa asitin gakar ni himga dareno le jour où, je te jure au nom de Dieu, le jour où, ni que fatta gagné, ni que bague forité, batmo, dangere, batma sike ta, mato wala matu ngine, dangare, batma gama che ni gane wodin se. Hmm. Je te jure. Oh. nga pour moi, artiste le, le, votre public là vous respecte. to voilà man public donc son chala hmm. ni chala finaliste ni morgue irma sanusi funa achi sangogo ani bon présenter akora karma to nema de kan sonda chocolaté n'est kan artiste ngo fermement ne public kono sika mm. parce que di sambu dine kundo arafat no go kawli ne yorobo on matini ne se dine ngeno kay ko no go tonande men kun dine ngeno mm. gogu donu ccfn ngai singu du basi 100 personnes donc nous, il faut non di sanoga ça Donc là, mais gars, talo talons. Avant, de, avant de commencer, ah. Aïe bon présenté. Mm. Euh, moi, c'est Ahmad Godo Abdoulaye. Mm-hmm. Ça, c'est mon véritable nom. Ok, ton match, match Oui, Aima Aima Aima Originalo. Originalo. <laughs> oui. Aima Originalo Kango très bon. Ah. Donc nom d'artiste c'est Big Abdel. Big Abdel. Big Abdel. Finaliste euh, tremplin. Tremplin. Euh, saison 4. Oui, saison 4. Euh. Donc euh, tout à l'heure Aima Boro wana sano, mhm. chocolaté wana sano. Mhm. Ne bayi haikul ine gonde sintinai a gonde baniya. Mhm hari hanni go ga sola mm. chaque fois kade din kegi la sabu kukuti la sabu kuko din ganan mhm. ne mu faham ga bai hari bubu ba kanti hayo dai ni sintin matano abana yawo ko gite da hayo dai ni sintin agin ga kanu boraisi wala asin ga kanu boraisi mhm. je parle en tant qu'artiste nigérien mhm. hunkunni go artiste, chanteur. Je crois bien, Borima Gorno, Nima Kukaridan, Mahimadan. Mati Hankangabori. Mati Hankangabori. Koyo Mubori. Zama ine, zama ino doanga yi, sanera, ine Hankangabori, gingo bonera. Moi, c'est pas aujourd'hui j'ai commencé à écouter la musique nigérienne. particulièrement le rap, le hip-hop en tant que tel. Donc on peut déjà te considérer comme quelqu'un qui est dans le public comme le public. Si vous voulez, je peux jouer les deux rôles. Je joue le public, je joue la. Joue le, joue, joue, joue, joue, joue le rôle du public. Ok, je joue le rôle du public alors. Mm. À l'époque, mm. c'est vrai, j'étais tout petit, mm -hmm. mais j'assiste massivement au concert. Ça, c'est fait. C'est Jarouche. Ça, concert pour 1000 francs. Oh.

Euh, les deux avis donc les artistes euh, et de euh, l'avis aussi de Big Abdel qui est considéré comme le public qui assiste au concert sur cette émission. Tu as écouté aussi avec intérêt H qui est aussi dans l'événementiel. Mais tu penses quoi par rapport à cette question qui vient d'être posée, quoi, le fait que le public n'assiste pas Qui est-ce qu'on doit condamner L'artiste qui doit, je ne sais pas, redoubler d'efforts à Imam dans Kokari, Gité Hari Hanou quand on un public comme consommé, ou le public quand artiste concert mhm. nous maintenant on je vous ai dit hein, moi j'ai commencé donc à un peu développer pour montrer que de tous les à tous les niveaux mhm. il y a des problèmes euh, parce que là je vais essayer peut-être de résumer euh, mon intervention mhm. quand on prenait par exemple au niveau des artistes je vous ai dit qu'il y a un problème de stratégie maintenant communicative il y a une stratégie il y a un problème de stratégie de communication les artistes ne savent plus maintenant comment procéder pour faire la communication de leur concert et comme le grand frère l'a souligné euh, aujourd'hui, pour faire un concert, c'est un travail normalement qui doit être le propre donc, des professionnels. Et ce professionnel, c'est qui C'est une équipe, une équipe bien organisée. Et donc, dans votre équipe, vous avez des communicateurs, et ces communicateurs-là vont maintenant définir la stratégie qu'il faut adopter pour atteindre le cible. Votre cible, autant pour moi, la cible, ce sont les jeunes. Aujourd'hui, euh, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous avons le problème aussi de nos médias, on a l'habitude de le dire. Parce que pour faire un concert, il faut d'abord être consommé. Un artiste peut peut-être décider de faire un concert quand il estime que euh, le contexte lui est favorable, quand il estime que ses chansons ont été consommées par le public et qu'il est grand temps maintenant pour lui de montrer une autre façon donc, de faire ces chansons-là à ce public. Il se trouve que malheureusement sur nos médias, euh, la plupart du temps, nous avons une certaine concurrence qui n'est pas en notre faveur, qui fait en sorte que dans, euh, dans nos radios, dans nos télévisions, on consomme plus les artistes étrangers que nos artistes. Et cela fait en sorte que dans notre propre pays, sur notre propre marché, les artistes étrangers là, c'est-à-dire se vendent plus que nous. Et la preuve, c'est que dès que vous avez un concert, par exemple, du, groupe là qui rencontre, sais comment on l'appelle là même, euh, les artistes rappeurs là, euh, bah, pas Rafat là, Kifnobit. Si on vous dit que c'est Kifnobit, aujourd'hui, le palais des sports est rempli. Si on vous dit que c'est tous les artistes nigériens qui vont se réunir pour, le palais de sport, il va y avoir des places qui seront euh, euh, des places vides. Donc la preuve, c'est que ce Kif Nobit se vend plus sur notre marché que les artistes nigériens. Parce que si on ne connaît pas Kif Nobit, qui va partir à son concert Si les artistes nigériens le connaissent, euh, le public nigérien ne le connaît pas, qui va partir à son concert Donc c'est parce qu'ils le connaissent. Et qu'est-ce qui a permis donc à, notre public de connaître tous ces artistes-là C'est parce qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui la permettent Donc sur notre propre marché, nous sommes conquis cela fait en sorte que ce n'est pas à notre avantage. Troisièmement, vous prenez par exemple aujourd'hui les promoteurs. Et moi, je serais tenté de dire, par exemple, les producteurs. Parce qu'un concert appartient avant tout à un producteur. C'est un producteur qui fait donc euh, euh, un emploi avec un artiste et lui dit, bon, j'ai besoin de toi pour, par exemple, 10 concerts, 14 concerts. Ce n'est pas un artiste qui organise un concert, c'est un producteur qui organise un concert. Parce que la particularité, c'est que nous n'avons pas ici. Il y a des producteurs. de Mais ici, c'est les artistes en question qui organisent voilà, leurs concerts. il y a des producteurs de spectacles. Il y a des producteurs qui enregistrent des artistes. Le producteur qui enregistre l'artiste, lui, son contrat c'est basé sur l'enregistrement de l'artiste et la vente. Et la vente aussi des, des CD. Il n'a rien à voir avec les spectacles. Maintenant, il y a des producteurs maintenant qui prennent les spectacles et qui Exemple, plusieurs connexions au Niger. Voilà. Donc, ce producteur-là, il ne choisit pas au hasard ses artistes. Il faut qu'il ait des artistes qui sont vendables ils n'ont pas les moyens. le public qui se déplace pour partir à ces concerts-là, il part toujours dessus. Pour la plupart des concerts, je vous dis, même les artistes qui sont considérés comme étant des grands artistes, quand vous partez souvent, vous avez mal vraiment parce que vous avez l'impression que ce n'est plus l'artiste que vous connaissez. Il n'a pas eu le temps de répéter. Mais c'est pas pas la il est fatigué, avant, son concert. il, a fait les quartiers. Et, au niveau des matos, il n'a pas la répétition pour prendre MSA. Au niveau de la communication, par exemple, il a une seule télévision, deux télévisions, mm. donc il n'a pas pu faire vraiment. Et aujourd'hui, on a beaucoup de télévisions à direct. mais c'est normal. la eh, même pas avec le poteau. Oh, Après le poteau, ce qui est, ce qui est choquant, oui. c'est qui se retrouve avec les crédits, moi, ce qui me fait surtout mal. Nous sommes sur l'émission Tous à la Fada. En tant que mélomane averti et amoureux du rap nigérien, dressez-nous une rapide comparaison entre l'époque euh, dite dorée du mouvement rap au Niger et les temps actuels. Qu'est-ce que les artistes d'aujourd'hui peuvent prendre de positif euh, dans ce qui a marché avant. Alors là, la question est ici à mon grand frère, manager, ok d'accord, très jeune, dynamique, euh, je l'appelle tout simplement le gunter, le rouleau compresseur, son tout simplement H-Power. H-Power. Donc, est-ce euh, qu'on peut prendre, il faut le Sambu Aranga. Parce qu'Aran Ouattara, vous avez toujours fait le plan du CCFM, le plan du Palais des Sports, je me rappelle de 2001, Diorodji, je me rappelle de 2001, Sikassi, je me rappelle de 2001, qui, comment est-ce qu'on appelle Kaidan Gaskia, de tous ces, de, ces artistes qui ont toujours fait le plan et qui, on a toujours désiré de, euh, euh, de, quoi. Il faut Bon, quand Aran Ging quand je ne Ging d'abord le respect là, c'est très, c'est très important. Oh. Le respect du public, et respect ensuite, du public. public. Voilà, le respect du public. Oh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter le public pour, faire, pour respecter le public, ah, public il faut les écouter. Ah, okay. An kan public on ne nsin badin ta hmm. sai wodi. Hmm. Da nan si ba wodi, mas ta sai wodi. Hmm. Ne fam, il faut se adin. chiadin. nous quand on préparait nos comment dirais-je nos, nos chansons, c'est vrai avant nous vous allez m'excuser, hein, les jeunes qui sont là. Il a pas de les jeunes qui, qui, qui les, les, jeunes de maintenant, la plupart, la plupart eux, ils, fait, ils, font le rap souvent, soit pour, ce, pour le matu vu, mhm. ou soit pour l'ego. il faut qu'on se dise la vérité. Alors que nous avant, alors <laughs> que nous avant, on était, c'est-à-dire le rap c'était pour sensibiliser vraiment. Hmm. On était là pour sensibiliser, c'est-à-dire à un moment c'est devenu d'engrais. C'était le rap conscient. voilà. Hmm. C'était de la conscientisation comme on le dit. Hmm. Et, moment, et en ce moment, souvent ni ni gingi di rapport ago go am koy fadara ago nga hayo hantum ago nga mm. test hantum mm. après ago nga sintinga hayo public ko mm. rabore ngene se gune nim da yakin barga kuma ti rapport no ngawo ils sont votre public ngene a ah, din da yakin ago bori din da yakin ago bori mais moto ki gene quand tu retournes à la maison tu arranges et quand tu arranges imagine borfo dangare pibil ko raran go gor borfo na fo ci gane nim da hara nim da to no dan cash fa wace to no fo no sanni fo no gonda woni ba

vrai. C'est quoi C'est vrai. C'est quoi C'est pibu C'est berendi c'est vrai pibu C'est berendi quoi et comment vrai. C'est vrai. m'y vrai. C'est ni le vrai. quoi il C'est la C'est chendi voilà quoi pourquoi il C'est vrai. C'est il C'est vrai. C'est vrai. ni vrai. do parce que ni C'est do C'est que am C'est vrai. C'est am C'est ni C'est <laughs> big abdel oui est-ce que aujourd'hui vous pouvez, qu'est-ce que tu as retenu des propos de, la, de comment ce qu'on appelle le, H, H j'ai retenu vraiment des, des bons propos. Tu l'as écouté, tu as Je l'ai écouté, franchement, ce qu'il dit, c'est vrai. Mhm. J'en suis entièrement persuadé, j'en suis d'accord mhm. de ce qu'il dit. Si de vrai tu veux avoir une certaine popularité, une certaine valeur, mhm. il va falloir nécessairement se forger. Il faut que tu aies confiance en soi-même, en ce que tu fais. Ça, c'est même pas. Euh, je sors un peu du cadre du mouvement rapologique, si vous voulez. Tout ce que tu prétends faire dans la vie, il faut que tu, tu mets du sérieux. Ça, c'est le premier aspect. Il faut que tu mets du sérieux. Il faut que tu, euh, tu accordes aussi plus euh, de du respect. Euh, à ton public si vous voulez. Il faut surtout écouter le public. Il faut beaucoup écouter le public. <laughs> ok, d'accord, les on prend une pause musicale avant bien évidemment de revenir. la thématique d'aujourd'hui est brûlante. <laughs> Soyez les bienvenus, ici c'est la Cour commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamey, la cour commune. Ni bon Ici, c'est une cour commune. Dans chaque famille, il y a une histoire. Chez moi, il y a 12 enfants. Je connais leur maman parce qu'on est ensemble, mais je ne connais pas les papas. Niamey, la cour commune. Chez mon voisin, lui, il a quatre femmes et ses enfants. Mais quand il sort de sa maison, il entend dire Tiens, merci T'as l'impression qu'il est en train de fuir sa famille. Ici, c'est une cour commune. Chez ma maman, elle attend encore le retour de mon papa. Mais quel papa Un homme qui est parti sous prétexte de la sauver, elle, sa vie et celle de ses enfants. Niamé, la cour commune. Non, non, nos sœurs, de honte. Une fois enceintes, elles osent avorter. Il y en a qui prennent la peine de supporter 9 mois de grossesse. Puis après, on retrouve les enfants emballés, tués, jetés dans des caniveaux. Ici, c'est une cour commune. Nous sommes des jeunes, entre 25 et 35 ans. On vit encore chez papa et maman. On attend la grâce d'Allah ou un visa de USA. Niamey, la cour commune. Non, non, nos sœurs, comme mariage devient difficile, tu les entends dire ah, Mais après les jeux de jambes, les katas, les autostops, Mangano Alpha ici c'est une cour commune. Pendant les jours de fête, on s'invite et après les fêtes, on s'évite. Si jamais on apprend que... Alors, l'émission OK, tous à la fada, c'est des Alors, on va devoir écouter Sakistan Fodé pour s'enrober. Et tout de suite, on revient pour la suite. À Niamey, tout comme à l'intérieur du pays, plusieurs concerts de jeunes rappeurs échouent, une situation qui freine l'évolution du mouvement hip-hop nigérien. Plusieurs raisons expliquent l'échec de ces concerts sans succès ou concerts poteaux, comme ils les appellent dans leur jargon. Le rappeur nigérien Limanja a organisé plusieurs concerts à Niamey et dans d'autres villes du Niger. Là, je te dirais que c'est le système qui a un peu changé. Hein. Avant, là, quand on faisait des concerts et tout ça, là, euh, ça remplissait tout. Par exemple, il y a des concerts qui euh, moi, j'étais là devant moi. Ils ont rempli des trop guichet fermé. Mais là, actuellement, il y a beaucoup de poteaux qui se passent. Le manque série et la mauvaise production font partie des raisons qui amènent les artistes à faire des concerts poteaux selon Ike Babatunde du groupe MDM Crew. C'est le sérieux qui donne tout. Quand tu viens faire de la musique pour le buzz, juste tu veux faire des trucs pour te faire kiffer à la télé par les petites filles et tout, le public nigérien a compris aujourd'hui. Il n'est plus dans les brouhaha, genre histoire, ouais, tu balances n'importe quoi, ils vont consommer. Ils ont commencé à être très sélectifs, tu vois. Et quand ils ont commencé à comprendre c'est quoi la vraie musique, c'est très difficile pour les autres rappeurs de se retrouver. C'est pour ça quand ils font des concerts, ça marche pas. Pour sa part, l'artiste Zen la Rebelle, le concert poteau n'existe pas. C'est juste pour décourager les jeunes rappeurs. Pour elle, les Nigériens ne veulent pas consommer les produits locaux. Les concerts que les gens qualifient de poteau, pour moi, c'est pas un concert c'est juste euh, un concert disons, un peu raté. L'artiste n'a pas eu beaucoup de fans. Là, je rejette la faute sur ces gens-là qui sont derrière pour critiquer les artistes sur les réseaux sociaux que non, lui-là, il a tapé poteau, concert poteau. Et le problème, les Nigériens, on ne veut pas euh, consommer local. On veut consommer les produits qui nous viennent de l'extérieur. Pour le succès du rap nigérien, les artistes doivent s'unir et mettre de côté les querelles inutiles. C'est aussi la solution pour mettre fin au concert poteau selon Babatunde Soul et Limanja. Il faut qu'on soit unis. Quand on sera tous unis, alors là, je, dirais que le Niger sera OK, hein, comme tous les autres pays. Déjà, la musique, elle paye un peu ici au Niger c'est l'union qui fait la force. On a nos problèmes, oui, mais il faut pas essayer de toucher la musique, tu vois. Il faut essayer de s'unir, de créer un bon environnement pour tous les fans, pour nous les artistes et tout. Et je te jure que ça va donner, c'est sûr. Bien que les concerts échouent dans la plupart des cas, particulièrement à l'intérieur du pays, les rappeurs nigériens continuent à animer des podiums sans se décourager. Comme je le disais à l'instant, la thématique d'aujourd'hui est brûlante et elle se déchaîne. Les passions dans toutes les fadas de la capitale, c'est pourquoi nous débattons et, nous en débattons aujourd'hui. Et dans la nôtre, normale, l'échec de concert, communément appelé poteau, euh, c'est des choses à éviter dans l'avenir. Alors j'espère que vous avez retenu quelque chose, amis artistes, hein, jeunes qui, écoutent cette émission, le public aussi, essayez en tout cas de fournir un effort, effectuer de placement, venez, soutenir vos artistes, euh, parce qu'aujourd'hui, si Piscor, on parle de Piscor à l'échelle mondiale, c'est parce que justement ils ont eu le, soutien des, Nigérians. Nigériens. Nigériens, ils ont eu soutenu. On conduit le Kifonovit, c'est parce que justement à la maison, ils ont eu le soutien. Et aussi, eh, de, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, euh, Founo, Arang, Igisintin, Gimberan, Hal, Gimberan, Tarang ok d'accord avant de conclure nous allons donc écouter euh, mon ami mon très cher ami Olivier pour sa chronique alors je vais commencer la chronique par cette information réunis le dimanche 7 juillet 2019 à Niamey les chefs d'État de l'Union africaine ont officiellement lancé la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre échange continental ZLEC 27 pays l'ont ratifié, mais selon les économistes, de nombreux aspects restent à négocier. Une fois que les négociations sont closes, les pays africains pourront commercer entre eux sans barrière douanière. Le siège de la zone de libre-échange continentale africaine sera au Ghana, précisément à Accra lors du sommet de Niamey, le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, change de nom. On parle désormais de l'Agence de l'Union africaine pour le développement. L'ODA poursuivra le mandat général du NEPAD qui consiste à transformer l'Afrique en améliorant le partage des connaissances, les partenariats et la mobilisation des ressources. Le 10 juillet, Code Local a été lancé. L'expression veut dire littéralement en langue germain l'école du codage. Donc concrètement, à la rentrée prochaine, les élèves nigériens pourront s'inscrire pour bénéficier des cours de codage informatique. Ainsi, le Niger s'inscrit parmi les grands pays qui font de la révolution numérique et technologique leur vecteur de développement. Et sur le plan cinéma, des nuits d'horreur se profilent. Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible, Judy et amis. Alors, la Maison du Mal était en séance depuis hier, le 12 juillet. Vous pouvez suivre euh, la projection du film à la Blue Zone et vous pouvez aussi découvrir euh, en séance nouveauté le film sud-africain Félix sur un jeune garçon ordinaire au talent extraordinaire. Alors, chers amis, c'est la fin de cette chronique. Comme vous le savez, toujours, je vous le recommande, je le ferai toujours chaque fois que l'occasion se présente. Il faut essayer de faire des tours sur euh, les plateformes de demande d'emploi, ne jamais rater les offres de l'ANPE, toujours consulter l'Agence nationale de l'emploi qui est l'ANPE, toujours consulter aussi le quotidien national. Il y a plein d'offres, plein de formations qui se profilent. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de nos discussions avec nos invités. On était avec euh, Big Abdel, ça va, du tremplin. On était avec Chocolaté, du tremplin. On était avec l'artiste Big Est, d'accord <laughs> Ex-artiste. On était aussi avec euh, l'ex-artiste H-Power. Ok, d'accord. avec H-Power de Niger Connection. C'était vraiment une fada. Mr. était de la partie. Abdou du Sudo Kalango était aussi de la partie ah, pour le son. Alors merci à eux pour les interventions. Continuez donc à nous envoyer vos questions et vos commentaires. Vous pouvez également recevoir tous nos contenus en vous abonnant à notre fil WhatsApp envoyé jeune au 80 06 88 54. À très bientôt pour un autre numéro de tout la Fada Machine Talkie.